Le 13 décembre 2020, plus de 7 millions et demi de Nigériens étaient aux urnes, majoritairement des jeunes et des femmes, pour élire leurs représentants locaux a ranar 27 kuma na watan eh, Desamba zaben da na shugaban kasa ne aka shi. Ce qu'on ne pouvait pas louper, c'était les jeunes sur le terrain a ko ina ma matasa ne, amma wacce irin rawa ce suka taka a bisa kan wannan shagulgulan na Quel rôle a joué véritablement la jeunesse et quelle place a-t-elle occupé pendant ces élections la fada bien calée à la symbolique place en Outaba en plein centre-ville de Nyame, zamuta tauna Matassan, matasan wasu 'yan kuma Dans ce numéro, nous aurons également la réaction de ces derniers sur cette thématique. Quelques délégués du parti politique à Gaïa, su gaya mana Et comme d'habitude, il y aura de la musique. La rubrique L'artiste s'exprime et la chronique de Miss Oli sera également de la partie. Olivier c'est comment Oui, Rabi, ça, va, ça va tu bien, vas bien Dieu merci. Hyper bien, Dieu merci. Bienvenue sur la FADA, on aura encore menu Alors, Rabi, ce soir, euh, nous allons essayer de mettre euh, une lumière sur euh, d'abord deux thèmes centraux, le thème activiste et le thème influenceur. Merci, et bonne émission, à Suite. le rôle qu'ils ont véritablement joué sur le terrain on en parle dans cette fada avec Isaka Omaru de l'association Kebero Isaka bonjour bonjour ça va tu vas bien oui je vais bien Dieu merci akwai hausa kadan kadan to nous sommes avec de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix ça va Comment vous allez La yalo yani. To dada ma ango de mala. To ya gaje zabe dada ma. Bon dada ma ango de mala. Zabe okay. anyi la mila here. Komiyakar on, attend que le deuxième tour. Le deuxième tour. Oh. Allah Nous sommes avec Isaka Mossi de l'association des jeunes diplomates et politologues. Isaka, ça va Oui, ça va. Yaka là Alhamdulillah, ça va bien. Isaka, Ika Zama Amin Manafada. Ado, Bakou Sani. Abdou, Gaskiya. Aymana. <laughs> Sanu Karazuwa Busa Kanshin Dus Alafada. Ina godiya. Muna tare da wani Aminu Manafada. Ah, ah, alona tamna tamna. <laughs> Tuna mun suna naka hybrid. Amadu, lampol <laughs> hybrid. Lampol hybrid ya kake? Allah da dama. Ça va cikin wannan zaben kai zabe ne kai ko ka yi wani abu da ya huce zabe na yi zabe kuma na yi kallo ka yi kallo mm. da kai za a wannan hira kai ma <laughs> to ka in ba wa in nan bakin nawa magana mushurar matasan da suka gaya ma a bikiyar aikin tamu mutraro wasu matasa da suka gaya ma a bikiyar aikin tamu aisa amadu mi yasa yanzu matasa suka ba harkokin siyasa karhi inu dis isi pourquoi les jeunes s'intéressent autant à la politique on les écoute Bon, les jeunes intéressent aux politiques parce qu'ils ont vu que le pays a besoin d'un développement au niveau de l'éducation, de la santé et aussi beaucoup de points stratégiques à ce qui concerne euh, l'évolution des pays, de la modernisation et aussi eux aussi ils s'intéressent à ça. suna à ce que je vois les gens intéressent à la politique parce que des fois ils voient les choses les gouvernants ne font pas ça il y a des problèmes que vraiment euh, ils attendent et à ce que le gouvernement ou bien le gouvernant euh, euh, résout le problème et ils voient que c'est pas le cas maintenant ils intéressent pour avoir une une voix de l'heure pour qu'avec euh, leur participation, donc euh, les choses vont se renverser. To wallahi matasa suna son harkar siyasa saboda he sun shiga ne za a yi da su. Yanzu suna gani akwai abubuwan da ya kamata a musu ba a yi. Maintenant in sun shiga dole su yi magana sai a yi musu. Jeunes ils sont ifuro politique parce que il dit jeune wo eh, ingano gati bor gine suba inga seno jeune ituninga bonga ininga gaba inga furu politique zama ba labo ko gine kyauyen do harai eh, da haikan labo wani ke duro ga gaborin da kun shi dai wa'annan matasan eh, isaka umar unhara gare ka ka ji wa'annan matasan suna zancen abin da yasa matasan suke harkan siyasa suka yi bata karhi kamar suna ganin kamar na gaban nasu sun kasa kenan yanzu ya ci a ce su ne su kama su yi da su ya kake jin wani ra'ayin nasu merci merci a l'émission tous à la FADA, merci au studio Kalangu. Effectivement, la jeunesse nigérienne a résisté face à une vieille classe politique qui n'a que euh, utilisé cette jeunesse pour euh, des fins de mobilisation politique et d'utilisation politique. Nous estimons que à la date d'aujourd'hui, cette jeunesse est en train de prendre progressivement conscience. La jeunesse a pris conscience parce que à la date d'aujourd'hui, aux échéances actuelles, c'est-à-dire aux élections locales, législatives et présidentielles, mhm, mhm. nous avons une majorité de jeunes et candidats et des jeunes qui se sont impliqués pour le bon déroulement de ces scrutins. Et très sincèrement, c'est tout simplement parce que les jeunes ont compris que l'ancienne classe politique a échoué sur toute la ligne. Parce que c'est des promesses électorales qui seront fait, à chaque fois, mais une fois aux affaires, on oublie carrément cette jeunesse. Parce que le véritable problème de la jeunesse de notre pays se résume à un problème de chômage, un problème d'éducation. Et très sincèrement, vous voyez comment est-ce que nos dirigeants

les partis politiques déjà existants pour changer la donne à l'intérieur de ces partis hmm, politiques et essayer de créer leur propre euh, formation politique parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples, beaucoup de jeunes ont créé leur propre formation politique et qui ont fait leur preuve aux échéances de, cette année. Et nous estimons que ce n'est que le début du commencement. Inch'Allah, la jeunesse continuera à, à, à, prendre ses responsabilités. C'est un bon début, ça. Moi aussi, nous avons rencontré beaucoup de jeunes. Qu'avez-vous à dire sur euh, leur participation dans les bureaux de vote mun tout su a ko'ina je wajen zaɓe Eh, bana gaskiya mun gani wani canji cikin tahiya ta politikin ba taɓa ganin matasa sun shiga cikin siyasa da ƙari ba kamar na bana tun wurin farfagandi kin gani matasa su ne gaba wurin farfagandi. wajen zaben ma da kanshi zaben ma da kanshi wajen zaben ma da kanshi in kin zo cikin lai bureau de vote ka yanke gani a eh, mekir suna manyan mutane goma kina ganin kina ganin matasa fedatar hamsin wa su ne akwai kin gani kenan suna da yawa mata matasa da aka sani sai dan aka zo farfagandi a ga matasa kawai suna cikin farfagandi amma aka zo zabe tsohi ne uwaye mu da aka gani wurin zabe mhm, amma mhm. kin gani ba bana banci wannan ma har cikin 'yan takaran ma jon sun yawa matasa sun yawa ai ga wani nan ya zo haka ne dama muna jiran ka kin gani dan takara <laughs> misali kin doka ma eh, cikin wannan movement da ake cewa tous pour la république kin ga mhm. dukkan su matasa ne suka ban kuma wani abin da kamar yake jawo hankalin mu kin ga ba su shiga cikin wani tahiya na wasu party cikin wani tsohon party ba su da kansu suka tashi suka tai suka nemi kansu mm. amma har haka nan ake ga matasa sun ba mu kunya matasa sun ba mu kunya rabi tunda bai yiwa yin a ce muna ana ihu ana cewa siyasar kasar mu ta kamata a ce kamar mu matasa suna da an sa mata an sa mata an kama kari matasa tana eh, an rage mata kwarai amma kina gani da aka ji zabe abin da suka bada matasa sun ba mu kunya saboda matasa muna tsammana a ce suna iya sutenir in suna kama ma yan uwansu matasa Alhamdulillah tu vas bien Oui Alhamdulillah je vais bien on t'attendait sur la FADA tu as été candidat au municipal hein et au législatives et aux législatives. Hein? Tout à fait. Alors, comment ça s'est passé pour toi Oui, bon, dans un premier temps, je vais dire que ça n'a pas été trop facile parce que nous sommes des candidats indépendants et le code électoral exige d'abord euh, 1% de, signatures. Donc on était obligé de mobiliser au moins 5565 signatures pour que notre dossier soit accepté. Ça veut dire que dans un premier temps, il y a des verrous, il y a des blocages pour les candidats indépendants. Raison pour laquelle vous constatez les partis pléthoriques. Juste c'est pour fuir euh, ces blocages-là. Je dis que ça n'a pas été du tout facile euh, parce que tout simplement on a apporté un message nouveau et c'est difficile euh, de changer tout de suite et maintenant les mentalités. Ouais, mais on, ne va pas baisser les bras hein, oh, quand oui, même, on ben, est là. Ouh, oui, ben. C'est pas du tout facile de dire à un jeune que je suis candidat pour lui, mais attends, tu n'as pas l'argent, tu as moto. Ouais. Ils ouais, prennent ouais. ça un peu, un peu gauche, quoi. Ouais. Donc, Yo, euh, justement, on a écouté euh, des jeunes de ce que Bamura a dit, suka sa kansu takara suka sa kansu cikin harkan siyasa kai da kake dan takara zan muhara zan mu mairo maka wannan tambayar me yasa ka sa kanka takara ani abun da sa na je na gane ne da gari ba a ji ni kasa da ban yarda ba ban yarda ba ban yarda ba in baka yarda ba zuwa kace kai takara mana ko eh, sai ka gwada abin da kace iya yi amma kawai mu zo mu zamna cikin fada kuma cikin salon muna ta ce a wanga bai kamata abun da yace nan gai yo kai da kasan yayi abun da kamata a yi ka tai kai abun ki ko ba haka ba <laughs> donc ça fait hein. partie des choses qui nous ont boosté mu muje wajen election cinga to on va poursuivre euh, notre fada amma kan nan zan je mushurari shurari cikin rubrikin tashi l'artiste extreme dondi de wani artiste ne hira et on se retrouve juste après Lady, ce soir on décolle, on va danser du rail d'un sol, bouge ton corps sous cette d'un sol, on en veut, on en raffole, bouge ton corps bébé, ton corps bébé, sous ces rythmes d'un sol, bouge ton corps, ton corps, ton corps, bébé voilà une bande à ma folle. Ainsi, sing l'artiste. Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes. Sur tout ça, la fada, l'artiste s'exprime. Sur cette émission, nous allons remis toutes les conditions pour recevoir un artiste, un manager, un PDG, un promoteur, un SEO, un acteur culturel. Eh, casquette et bagouma, émission au Vous vous rappelez certainement de la formation Guillotine, c'est avec une chanson de cette. Euh, formation que nous avons quand même débuté cette rubrique. Une formation qui a représenté vaillamment les couleurs nationales ici chez nous et hors de nos frontières. Une formation qui nous a fait danser dans les coins les plus chauds de la capitale. Guillotine, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Ils étaient trois au début, ils ont évolué. Absurde 2, et là, je ne sais pas comment ça marche et comment ça fonctionne. Alors vous allez tout savoir sur cette émission aujourd'hui. Ladies and gentlemen, Recevez chez vous tranquillement l'artiste Kila. Kila, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Je vais bien, Dondi. Et toi, euh, voilà, euh, big up, euh, respect, bonjour, bonsoir. Moi, tu vois, je pète la forme. Ouais, ça va. On voudrait savoir qui se cache derrière Kila. bon, en fait, Dondi, je pense que ça, c'est quand même un état civil, Abdraman Haroun alias Killer, puisque en réalité c'est deux noms en fait. C'est Killer, mais bon, il y a, des gens qui m'appellent Art. Alors qu'il a oui. Tu vas en parler de l'homme, les activités de l'homme dans ce monde culturel, mais du Niger. Alors, les activités de l'homme, euh, je peux dire que je, suis en train, en, tout cas, d'utiliser un peu ma petite expérience que j'ai eue en tant qu'artiste rappeur au devant de la scène mhm. pour aujourd'hui faire ce que je pense qui est mieux pour moi. Euh, peut-être avec le temps, avec le recul, avec l'âge, il euh, faut déjà laisser en tout cas la place aux plus jeunes pour s'exprimer déjà, mais être derrière aussi ces jeunes-là pour les aider à se développer davantage et surtout ne pas commettre, et je le dis, je le répète souvent, ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Parce qu'aujourd'hui, moi je reste sur certain, persuadé que la musique qu'on est en train de faire, c'est pas une délinquance et autres. C'est aussi un moyen d'expression d'abord, mais aussi, euh, disons, une ouverture. Ça crée des opportunités, ça crée des ouvertures. Et c'est un métier. Alors dis, dis-nous, Kila, qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui t'encourage Qu'est-ce qui te donne la force de continuer Kila. Donc dit, quand on voit des gens comme toi déjà, <laughs> qui est dedans, ça fait aussi longtemps en tout cas que moi, euh, je me dis que forcément ça t'encourage ça. Parce que euh, l'idée c'est quoi L'idée c'est de créer en tout cas euh, une dynamique. Une dynamique qui puisse permettre à notre musique, à notre art en général, de prospérer, de s'imposer et de, surtout de forger un respect. Moi, je pense que c'est ça qui me motive, c'est ça qui est mon leitmotiv. Mr. Kila, on va finir cette rubrique avec de l'improvisation. Je sais que tu es trop calé dedans tu as le beat qui coule, tu vas me poser un truc dedans pour me montrer que tu as véritablement le rap dans le sang. Et quand tu rapes je le sens. Parce que moi, la première fois que ça m'est venu de rapper, je savais pas rapper, c'était à rapper dans la batte et rapper. Pose-moi quelque chose sur le beat, Mr. Killa. Je voudrais finir avec le premier angle, l'angle de l'émission tout ça la Fada. Franco, ça? Hey. Ok. Il est où le beat, le beat Je sens pas le beat. L'artiste s'exprime ok, plusieurs casquettes à l'arc, ok, toi-même tu sais comment ça se passe ici, hein. Il y a des gens de l'autre côté de la régie, big up à vous pour le travail que vous abattez au jour le jour, yeah, Mr. Dondi, vas-y, si tu veux, ah, bon, pas de bac, vas-y, vas-y, place-moi un truc, ok. Néo, tout simplement, Kila, Aine, Ergo, Koi, Kalde, Suba, Berna, Kerkoubay, Emi, Siongo, bon, Aigo, Ga, keri. cheer, hey. c'est Mr. Dondi. C'était euh, la rubrique l'art s'exprime avec Mr. Dandy. Depuis la place Anoutab, wannan wurin mai mahimmanci face ministère de l'agriculture a nan birnin Yamai na muka ɗora wannan fadar muna hira irin rawar da matasa suka taka bisa kan harkokin kinzabe tunda mun gane su ko ina ko ina su ne wannan matasan. Quelle position ont-ils vraiment vraiment occupé dans ce processus? On en parle aujourd'hui à la fada avec euh, Nouradine Awadé, il était candidat au municipal et aux législatives. Nous sommes avec Abdou Gadou de l'Observatoire de la jeunesse pour la paix, Issa Omar de l'association Kebero, Issam aussi de l'association des jeunes diplomates et politologues et notre ami Ça va, <laughs> je t'ai pas, pas, oublié. Hein. N'oubliez pas surtout le numéro sur lequel vous pouvez réagir sur nos émissions, le 80 06 88 54 beaucoup se plaignent de la place peu significative qu'occupent les jeunes cette fois-ci ya matsayin ya eh, eh, Merci Rabi. Eh, moi, en fait, euh, je voudrais me réjouir de l'engagement plein de la jeunesse mm. et du résultat satisfaisant de ce que cette jeunesse a amené. Pourquoi j'ai dit euh, Parce que vous savez, le plus difficile eh, dans la vie, c'est le changement. Ça a été pratiquement eh, la mission de tous les prophètes. Ils ont eu des difficultés. Quand on veut changer, souvent on a du mal à être euh, sarné, on a du mal à être compris. Mais je pense que c'est un long processus dans lequel il faut du courage, il faut eh, de l'engagement. Et c'est pourquoi je profite pour euh, féliciter le monsieur. On lui hein. On peut lui applaudir quand même. Aussi profiter <laughs> pour euh, vraiment féliciter le TPLR et toutes les associations qui se sont investies donc pour qu'il y ait une véritable démocratie. Aujourd'hui, euh, pour revenir à votre question, ça a été toujours notre inquiétude. Cette jeunesse a toujours attendu qu'elle soit invitée et à, la gestion des affaires euh, de la chose publique du pays. Je pense, je l'ai toujours dit, comme nous avons devant nous des aînés euh, mal intentionnés, euh, animés de, de mauvaise foi, nous sommes obligés de nous inviter nous-mêmes. Cette jeunesse est en train de s'investir corps et âme dans la politique. Vous, vous voyez, même ceux qui n'ont pas été en fait candidats, ils ont été sur le terrain pour que leur voix soit sécurisée. Ils se sont intéressés. Ils étaient nombreux, les jeunes délégués des partis politiques, à se présenter dans les bureaux des votes. Ils étaient là. Dans l'ensemble des 88 bureaux de vote que compte la commune de Gaïa, les jeunes représentent la grande partie des délégués des partis politiques. Quelques-uns expliquent leur motivation pour ce rôle. Et le motif, euh, bien regarder comment les votes euh, je pas ça pour avoir une transparence. Nous, on ne fait pas ce travail à cause de l'argent. On fait ça pour leur montrer que nous sommes des citoyens. Oui, c'est pour résoudre le problème dans notre pays. C'est pour cela qu'on fait ça. Parce que c'est nous l'avenir du pays. Quoi. Moi, je ne suis pas venu pour l'argent. Je, je suis venu à cause de l'amour de mon parti. Nafisatou, une déléguée d'un parti, relate quelques difficultés rencontrées. Si, il y, a des difficultés, parce que les, différents partis, les autres payent et les autres ne payent pas parce que dans cette salle, il y a les autres qui depuis ce matin, ils n'ont même pas pris le petit déjeuner. Maintenant, on est à 14h, ils n'ont pas encore mangé. Donc tu vois, c'est pas bon ce qu'ils font. Selon Issoufou Saleh, superviseur des délégués d'un parti politique, l'endurance de ces jeunes explique le choix porté sur eux. Je pense qu'on a pris des jeunes parce que c'est un travail, je peux dire que c'est un travail de force avec l'endurance. Cela, on peut dire que c'est les jeunes qui peuvent supporter ça. Donc c'est pour cela que vous voyez, en tout cas dans les salles de vote, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Mais en tout cas, les jeunes sont courageux. Dans les six communes du département de Gaïa, les jeunes ne sont pas restés en marge de ces élections

les jeunes maintenant, Nigériens s'intéressent à la politique, à gagner comme musique et c'est pour avoir quoi en fait Ils vont gagner quoi dedans Kisan iri biyu ne jeunesse ne. Akwai wayanda suke so su canza abubuwan don saboda a dawo bisa hanya ta kwarai. Akwai wayanda kuma an cika ciki ne an cika aljihu ne. Ina ne. nan da ke ta zancen ba nan samun kuɗi cikin wayanda suka magana. Yo, wayanda suka ta neman kuɗi ne. Saboda wannan wani dan siyasa ya kira ka ya ce zo in ka ga biro de vote. Kashe kawani tun witar har du matin ya huto ya baka 2500 dan Allah ko ko da wannan ko wannan aikin masonari da ake ba ba haka ba ke shi si zero return na baka 2500 in wai sare kuma shi an function da grad amma ka zo ka tai kudin da ka tai nema baka san ba ka wahala 2500 din nan abincin kwarai baka ci ba to da wannan ba gwanda ka ta kayi kasan dan abubuwa canza bane dan ka kawo naka gudunmuwa cikin wannan Niger sabuwa da ke ga zuwa a turanci aka ce on mm, la generation de maintenant c'est une generation consciente to cikin wannan generation consciente kai kana neman ka nuna abubuwan da aka ce ba haka bane kuma gashi generation consciente tana ga zuwa an so ba so ba tun da gashi an gani 'yan siyasa cikin 'yan siyasa sami 'yan siyasa na yanzu shi akwai jan da yawa cikin ma sensibilization da mobilization akwai jan da yawa kenan wa'anda ke gudun wa'anda ke abin nan kokarin cika aljihu ta su ta yi wani ke da kokari wani ke so su kuma canza abubuwa Allah taimaka mana Allah sa mu ci gaba merci beaucoup Isaka Umar zan dawo gare ka qu'est-ce les jeunes à s'intéresser autant à la politique a ganin ka akwai wani abin kirki da suke iya samu Moi, je dirais que les jeunes aspirent à un changement et un changement sur tous les plans. D'abord, depuis 90, les jeunes Nigériens ont résisté à une classe politique qui a délaissé l'éducation des enfants des pauvres. Une classe politique qui a fait de l'emploi des jeunes son dernier souci. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que c'est seulement à travers leur engagement politique et social qu'ils peuvent être dans les sphères de décision pour régler eux-mêmes leurs problèmes. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le véritable problème au Niger, c'est un problème d'éducation. Donc, si les jeunes arrivent à, aux sphères de décision, je pense qu'ils peuvent changer. Et ce sont des jeunes qui, sont, qui seront investis en politique par leurs camarades jeunes, non pas moyennant des billets de banque ou bien des moyens de l'État ou bien par la corruption. Tout simplement, ce sont des jeunes qui vont arriver aux sphères de décision parce que tout simplement, des jeunes ont cru en eux. On cru en ce sont peut-être ces jeunes-là qui peuvent changer la situation. avant que les esprits ne se chauffent sur la fara, on va aller en musique, se détendre un peu et revenir. Mais il y a un truc qui ça. wali abdulsalam to kun ji dai motsi ya ce a sa mishi wali na abdulsalam kuma shi za mu sawa kan mu dawo cikin wannan fadar tamu Usman Adam Usman wali baban Mariya. Adamu Usman Wali babban adali Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi murya shatan zamani Jama'a ga zance zani Sai ka faɗi murya Inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa Wannan gaskiya ne shatan zamani Amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ce waka ya kirkira amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kirkira ina yaro ɗan kankane makaranta talele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani ina yaro ɗan kankane makaranta amani malam ya faɗa mani abun da Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abun da annabi ya faɗa shine ne malam ya faɗa wanda malam ya faɗa wazi a garan aiki dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magada annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta gaskiya ne mutum ka zama kai adali haka in ka zama adali naka ne duka kowa da kowa kamar da kai ke shatan zamani dubu jama'a duka naka ne duka kowa da kowa kamar da kai ke yi lokacin wali iya da rai sale Allahu akbar lokacin mutuwa bata taushi ba Allah ji ka musulmi dukkanin mana faɗi gaidam na faɗi mai duguri na faɗi damaturu na faɗi ranar zaɓe na tahe in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓen adali. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bauta wa ƙasa, mai bauta wa 'yan ƙasa. Domin shi ne mai tausan gida, mai bauta wa gida, mai bauta wa 'yan gida. ba ta daushi ba sale Allahu akbar karya ta shigo gari da dare ta zo gari Usman Adamu na dawa nema hakkin yan kasa karya ba ta gan shi ba shi ma bai ganta ba bayan wannan waka quel rôle ont-ils vraiment joué dans ce processus dans ces élections au Niger on en parle à la FADA, ici à la place Anoutab. mon da Isaka de l'association Kebero cikin fadar tamu de Observatoire de la Jeunesse pour la Paix. Isaka aussi une association des jeunes diplomates et politologues. Noureddin Awade, candidat à élection municipale la législative. Nous sommes avec Polyhybride Amadou qui nous accompagne également dans cette fada. La dernière question de cette émission, akaba ko kokarin ma da suka yi a c'est suffisant ou on peut mieux faire filin matasa eh, dan kuma ma yanda na wasu ne eh. kala filin da suke hudda ma bayan su da wanda suke bi su ba mu ba da ba dan mu ba suke nan ga yi shi ba su mm. dai cewa suke suna promotion de la jeunesse amma ba jeunesse kin kirki suke nan shine mu cewa ce du abun suke nan ga ce mu ma yara ba ga place a nutab ka zo 22h ka ga abun da ce ko 23h alors que gwamnati ya kamata ne yayi investir cikin jeunesse kin muna da enseignant nan kusa da mu kudin wanga plaskin inda an sa ta ci enseignement ne da yana jara kasan a compare a abubuwan da ake nan gayi jeunesse kinsu mun san su 'yan ganga ne da 'yan ganga da 'yan kokowa ba dai suke akwai yadda suke nan suna nan ga ce a an yi promotion de la jeunesse su sun samu matricule su suna motoci suna ni dai a gani na wannan su dai ba su nan gama komai a a la jeunesse Moi c'est ka ji abin da ya gai mi za ka ci abin on kana da wani karin bayani bisa kan abin gai désolé mais la jeunesse a été malheureusement utilisée a yanzu elle a été utilisée sans qu'elle le sache même et c'est ça le pire to su da kansu mm. jeune sun san da kaman dan dai a yi de da su ne

ka kare mutuncin kanka bai kamata ka zo kana da ana amfani da ka bace duk abin baka da abin conviction baka da ambition shi ko na abu kakka tai ka tsaya ka yarda ka yarda da abu sannan ka tai ka bi abu amma kawai haka nan saboda dan a ce maka honorable ali ka fotan ka shi ne suka tai ka bi abu <laughs> ko shi abin da Mosi ya ce to Mosi da wannan zancen naka zamu dasa aya bisa kan wannan da baki na mutum da lokacin namu ya kare amma kan nan zan kira Mr. Oli ya zo mana da kronikin shi Olivier Ouais, Ravi, comment vas-tu ce soir Ouais, ça va tranquille. Là, est un influenceur. Ou activiste. Activiste. Mhm. Tout le monde Bon, bonsoir à toi d'abord. Bonsoir. <laughs> bonsoir à mes amis de la FADA. Eh bien, je vois beaucoup de personnes présentes sur les réseaux sociaux ici. Bon, Mosimou Mouka, il est influenceur ou activiste les deux. Ok, d'accord. <laughs> Ah, Nourdine Awade, influenceur ou activiste Non, je suis activiste. Pas influenceur Non. <laughs> D'accord. <laughs> Bonsoir à tous, amis auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu. Eh bien, dans la chronique de ce soir, nous allons décortiquer ensemble les termes influenceur et activiste. D'abord, c'est quoi un influenceur dans la culture numérique et plus précisément du web, c'est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Son objectif, c'est pousser à la consommation d'un produit. Les influenceurs sont pour la plupart sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, on distingue alors les influenceurs Instagram, les influenceurs Facebook, les influenceurs Twitter ou encore des influenceurs TikTok. Autre précision également, les meilleurs influenceurs ont cette particularité de se spécialiser dans un domaine précis. On parle alors des influenceurs mode, des influenceurs musique ou des influenceurs cuisine. Mais alors, un activiste, c'est quoi, Olivier Alors, pas de définition exacte à cette appellation, mais il y a quand même une chose à laquelle on peut rattacher l'activiste. Eh bien, cette chose, c'est la politique. À la base, on parle de l'activisme politique pour désigner un engagement politique privilégiant l'action directe. C'est une forme de militantisme dont l'une des modalités est peut-être de braver la loi, en mettant des actions qui peuvent parfois être considérées comme violentes. Eh bien, au fil du temps, l'activisme a évolué et a pris diverses formes. Par exemple, on parle d'activistes féministes pour ceux et celles qui défendent le droit des femmes. Nous pouvons conclure alors cette chronique en disant tout simplement que s'il existe un trait commun entre un influenceur et un activiste, c'est bien évidemment l'Internet et les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés et la fréquence de publication fait d'un internaute ce qu'il est, influenceur, et le choix de ses sujets, de son engagement, font de lui un activiste. Alors, si l'objectif de l'influenceur est de manipuler l'opinion publique afin de la pousser à une consommation ou à une prise de décision, il prend moins de risques que l'activiste, car ce dernier prend sur lui de dénoncer ou de convaincre sur un sujet sérieux. L'activiste, il n'est pas à la recherche du buzz, mais il tente de faire adhérer plus d'une personne à une cause. Eh bien, au Niger, de quoi avons-nous vraiment besoin Des activistes ou des influenceurs Élément de réponse dans la chronique de demain avec Mister Dondi. Merci à tous. Merci Olivier pour euh, tes chroniques toujours aussi clarifiantes. Merci beaucoup. <laughs> c'est euh, la fin de tous à la fada comme ça mun zo karshen wannan shirin namu muna gode ma wa'annan bakin wanda muka gayyata a nan plus tab a nan birnin yamai hira da muka yau hira bisa kan matasa wacce irin rawa ce suka taka cikin wannan harkokin zaben kuma kama a nuridi ya gai ya ce dai hilin da aka ba su dai ɗan ƙanƙane ne kuma shi ma hilin a rarrabe kuma rawa ba wadda suka so su taka bace suka taka ku dai sai a hankali shi kuma mos ya ce matasa ya ci a ce yanzu sun kai inda ba sa bari ba ai unhwani da su in kunne ya shi jiki ya tsira bye bye amiratu fada on se dit à la semaine prochaine